Merci de suivre les programmes du studio Kalangu qui nous parviennent grâce à nos 47 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Selon Wikipédia, la parenté à plaisanterie est une pratique sociale typiquement d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui autorise, voire parfois oblige des membres d'une même famille, tels que des cousins éloignés, certains noms de famille, certaines ethnies ou des habitants de telles régions territoire et province, à se moquer ou à blaguer et ce sans conséquence. Ces échanges verbaux sont analysés par les anthropologues comme des moyens de décrispation, de cohésion ou réconciliation sociale, voire une pratique sacrée. Classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis l'année 2014, la tradition de la parenté à plaisanterie ou le cousinage du Niger est l'un des remparts le plus importants de sauvegarde des valeurs socioculturelles et linguistiques. Elle est aussi un segment de la cohésion sociale dont les origines remontent à l'époque de nos ancêtres. La parenté à plaisanterie ou le cousinage est basée sur plusieurs aspects et s'exerce entre individus, groupes et communautés ethno-linguistiques pour promouvoir la fraternité et l'unité nationale. C'est toute cette richesse d'unité et de cohésion qui crée la parenté à plaisanterie que les autorités du Niger organisent chaque année à travers tout le pays, et cela depuis 2008, des manifestations culturelles entrant dans le cadre de la parenté à plaisanterie. Et la raison est de valoriser cette tradition. Quelle est l'origine de la parenté à plaisanterie au Niger quel est le fondement de l'existence de la parenté à plaisanterie entre les groupes ethniques Quelle est l'importance de la parenté à plaisanterie Comment sauvegarder cette pratique au Niger Pour débattre de cette thématique, nous avons dans ce studio comme invité Marie-Malam Daouda, homme de culture. Bonsoir Marie-Malam. Bonsoir à vous. Kazalma Taya, président Association Culture Niger. Bonsoir Kazalma. Bonsoir à vous, salam alaikum. Mahamadou Kourou, anthropologue, bonsoir Mahamadou Kourou Bonsoir. Et Abdoulaye Segda, artiste humoriste, bonsoir Abdoulaye Segda. Bonsoir. Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Comme je le disais, le thème du forum du studio Kalangu est la parenté à plaisanterie. Comment pérenniser cette pratique face à l'évolution Je commence donc par Mahamadou Koro, anthropologue. Quelle est la signification de la parenté à plaisanterie je vous remercie, Madame, de m'avoir donné cette parole euh, pour euh, parler de quelque chose euh, qui nous tient à cœur et qui fait la fierté de ce pays-là. Alors, euh, pour parler de ce que vous venez de dire là, il serait plutôt intéressant d'abord de mhm. circonscrire le contexte de la parenté à plaisanterie. C'est vrai que ici au Niger, euh, c'est le contexte, c'est le terme consacré, la parenté à plaisanterie. Mais ailleurs, certains parlent d'alliance à plaisanterie et mhm. aussi le cousinage. Mais je tiens à vous faire remarquer que ces thèmes cousinage et alliance à plaisanterie s'appliquent plutôt à un des aspects de cette parenté à plaisanterie mhm. qui est l'aspect interne de la parenté à plaisanterie, c'est-à-dire le cousinage. Ici, c'est l'aspect interne de la famille, mhm. au sein de la famille vous avez le fils de la femme et le fils de l'homme. Vous avez le grand-père et son petit-fils. Alors, il y a un autre aspect de la parenté à plaisanterie qui lie certains groupes ethniques à d'autres, qui lie certaines formations corporatistes à d'autres. Donc, de ce point de vue, parler de cousinage mhm. ou bien d'alliance, ce serait un peu limiter les choses. Mhm. Alors, quand on parle de parenté, vous voyez le lien a entre. Donc, c'est un terme beaucoup plus large mhm. qui lie les individus entre eux à travers justement cette manière de vivre, cette manière de se comporter, cette manière de distraire qui est la parenté à plaisanterie. Et vous voyez sous cette forme-là, ici au Niger, toutes les familles, tous les sous-groupes ethniques sont liés. Alors, ce lien ombilical tire ses racines d'abord par le mariage. Mhm. Parce que le mariage comme on le dit, il est sacré. Cette parenté à plaisanterie tire ses ressources des événements historiques, donc des faits qui rehaussent l'individu. Et pour immortaliser, pour perpétrer, perpétuer ces chose, choses, donc nos parents mhm. ont conçu un système ingénieux qui est la parenté à plaisanterie, qui permet donc de relier, de nouer mhm. des alliances, des services entre les individus. Et de cette manière-là, il n'y a pas place pour la guerre, il n'y a pas place pour les turpitudes, ainsi de suite. Mhm. Donc c'est la solidarité agissante. Marima Landauda, vous êtes homme de culture. Qu'est-ce qu'il faut ajouter relativement donc à la signification de la parenté à plaisanterie au Niger, mhm. parlant de la parenté à plaisanterie, nous avons vraiment trois paramètres importants qui favorise la paix dans notre pays. Ces trois facteurs importants sont quoi euh, Il l'a dit, le mariage, mm-hmm. la religion. Le Niger, 98% en tout cas, sont, se considèrent mm-hmm. musulmans. Et après, la parenté à plaisanterie. Dès qu'on dit la parenté à plaisanterie, nous, au Niger, on peut dire que ça fait partie de notre culture. Mm-hmm. Une culture c'est ce qui vous reste quand vous aurez tout perdu ou mhm. tout oublié dans la vie. Et à côté de la culture, il y a quelque chose qu'on appelle l'acculturation. Mhm. L'acculturation, c'est quand quelqu'un laisse sa propre culture au profit d'une autre culture. Voyez Donc, la parenté à plaisanterie a des sources diverses, telles que il y a des sources de sang mhm comme il le voulait dire, il y a plaisanterie entre un grand-père et un petit-fils. Mm-hmm. Vous voyez Il y a euh, plaisanterie entre, entre en tout cas, euh, des enfants, mm-hmm. de, deux frères. Un grand frère, une petite soeur, leurs enfants, c'est des cousins, il y a. Il y a la parenté à plaisanterie d'un environnement. Mm-hmm. Je prends un environnement, par exemple, d'éleveurs et de cultivateurs l'un se servant de l'autre, vous allez voir, ils vont créer une parenté à plaisanterie à travers les différentes rencontres locales, telles que les marchés, telles que les cérémonies. Mhm. Et il y a aussi la parenté à plaisanterie par des conflits, suite à des conflits tribaux. Des gens se rentrent dedans, ils tuent des gens, on dit, bon, nous sommes fatigués d'enterrer des cadavres, mhm. eh bien, unissons-nous mhm. pour en tout cas nous solidariser et faire quelque chose de plus positif. Ça suffit ce qu'on a fait de, négatif. C'est pourquoi parfois ça aboutit même à des, à des mariages. Mhm. Et donc la parenté à plaisanterie est quelque chose, et notre culture qu'il faut sauvegarder. Surtout parce qu'il y a les masses médias qui mhm. peuvent favoriser cela la population aime bien la parenté à plaisanterie. Mhm. La chefferie traditionnelle, à travers nos chefs, nos sultans en tout euh. cas et autres, aime bien la parenté. L'État a creusé mhm. un ministère sur le plan politique qu'on appelle en tout cas un ministère chargé de la culture, mhm. tout un ministère, avec Renaissance, acte 1, acte 2, acte 3, qui est en activité actuellement. Donc je crois que tous les dés sont lancés et que, en tout cas, la parenté à plaisanterie, il est très difficile de, développer tout ce qu'il y a autour de la parenté à plaisanterie, mais nous allons seulement essayer de vous dire, mhm. à travers les différentes interventions, ce que, en tout cas, nous pouvons vous dire. Abdoulaye Segda, vous êtes artiste humoriste, donc euh, sur la parenté à plaisanterie. Pourquoi donc avez-vous euh, choisi donc à ce domaine je vous remercie beaucoup. Donc, euh, Abdoulaye c'est mon vrai nom en tant que tel. D'accord Si je me suis intéressé à ce domaine, pour moi, c'est une manière, en tant que fils du pays, mhm. fils africain surtout, d'apporter ma part de pierre à l'édifice, mhm. contribuer à la promotion de la paix, à la promotion de la tolérance et celle du savoir vivre ensemble. Alors, donc, quand on parle de tout ça, la parenté à plaisanterie intervient. Donc voilà comment j'ai auto-créé ce concept Jingri Lompo. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites Abdoulaye Sekda, même dans mon quartier, vous allez faire le tour du quartier, mhm. finir et puis passer devant ma maison et puis rentrer, ça me voit. Mhm. Mais quand on dit Jingri Lompo, ce n'est pas question du Niger, c'est sur le plan mondial. Donc, parce que c'est ce personnage-là que j'ai euh, auto-créé pour mieux faire cette promotion du cousinage. Parce que mhm. eh, Abdoulaye, c'est un nom religieux. Il y a deux noms sur terre. Mhm. Nos parents le savent, on est venu trouver ça comme ça. Le deuxième nom, c'est le nom traditionnel. Mhm. Le nom eh, religieux, eh, traditionnel existe avant les noms religieux. Donc, euh, les noms religieux, ça réunit tout le monde. Ça regroupe tout le monde. Donc, on devient tous un. Euh, à travers ces noms religieux. Voilà, un arabe peut s'appeler Abdullah, chinois, s'il est musulman, il peut s'appeler Abdullah. Donc, euh, un noir, tout comme un hindou, n'importe qui peut porter. Mais voilà, quand on parle, par exemple, euh, le nom traditionnel, là, ça, ça indexe l'identité de la personne. ça démontre, ça clarifie mhm de quelle ethnie vient cette personne. Et quel est ton nom traditionnel Mon nom traditionnel, c'est Djingri. Mm Djingri, c'est un nom traditionnel du terroir gourmandier. Mhm. Voilà, les lompo, les djingri, les bariquets, les talari, les humpun, dès qu'on entend, on sait que c'est un gourmandier. Mhm. Voilà, donc c'est ça l'idée pour mieux promouvoir la culture de la parenté à plaisanterie, promouvoir cette paix et pour mieux pouvoir euh, attaquer les cousins. Mhm. Voilà. voilà président Association Culture Niger. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter euh, sur euh, la parenté à plaisanterie Alhamdulillah, et c'est avec fierté que je viens répondre à cette invitation. Je tiens vraiment à vous remercier parce que c'est une chance de venir partager le même plateau avec un professeur Kora ou un maître Marama qu'on entend tous les jours à la télé, un Lambo qui est l'ambassadeur, détenteur d'un Oustiti d'or. Mhm. Donc euh, c'est vraiment un honneur pour moi. Et aujourd'hui, comme il l'a dit, dit, quand vous dites Ablaï Segda, vous pouvez passer devant sa maison mhm. sans le retrouver. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup qui me connaissent sur le nom euh, Culture Niger ou Monsieur Culture. Mhm. Voilà, parce que j'ai compris une chose dès la naissance. On m'a inculqué certaines valeurs, dans la culture, parce que la culture, c'est l'âme d'un pays. Mhm. Aujourd'hui, on est en voie d'acculturation, comme il l'a dit. Donc maintenant, comment se réapproprier notre culture Et donc à travers notre association, c'est ce qu'on est en train de faire. Mhm. Et on fait la promotion de tout ce qui est parenté à plaisanterie, nos tenues vestimentaires, parce qu'aujourd'hui, alhamdulillah, je vois plusieurs tenues ici. Mhm. C'est important. Il y a dix ans de cela, en tant qu'intellectuel, on préfère s'habiller en costume mhm. pour apparaître en public. Mais là, on est fier sur le plateau on est habillé par le sakala, le kunta, des tenues touareg, des tenues kanori, des tenues le faso d'Anfani Karma. Alhamdulillah, mhm. c'est que on est en train de se réapproprier notre culture. Et dans cette culture-là, il y a un pilier. Mhm. Je prends l'exemple du Niger. Mhm. Et ce pilier, on peut l'appeler la parenté à plaisanterie. Parce que la parenté à plaisanterie nous a évité beaucoup de mots. Les Nigériens ne savent pas, mais aujourd'hui, il y a eu des génocides dans certains pays. Mais nous, grâce à ça, on est passé à côté. Il y a eu beaucoup de choses. Il peut y avoir un coup d'État, il peut y avoir des élections, mais avec la parenté à plaisanterie, on arrive à apaiser les cœurs. Mhm. Je donne un exemple, celui de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils ont plus de 60 ethnies, mais grâce à la culture, la parenté à plaisanterie, les musiciens, les footballeurs, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix il joue sur euh, la paix et la quiétude sociale. C'est pareil pour la, parenté à plaisanterie. C'est comme la lutte traditionnelle aussi. Aujourd'hui, quelles qu'en soient les tensions, on peut profiter, faire la lutte traditionnelle pour apaiser les cœurs. Et donc, je pense aujourd'hui, comme on l'a dit, Tabastaka, donc euh, notre professeur va, va mieux l'approfondir, Tubashinani. Aujourd'hui, je donne un exemple en tant que Kanori, j'ai un voleur qui vient chez moi, à la fin, il me dit Je suis un peu, je peux rien lui faire. Pourquoi Parce que Tubashinani. Voilà, et comme... Euh, euh, la parenté à plaisanterie contribue à la cohésion sociale. Beaucoup, mm. elle contribue beaucoup et c'est pour ça que je lance un appel à nos autorités. Mm. Comme on a mis l'accent mm. sur la lutte traditionnelle, certains eh, vecteurs, il faudrait qu'on investisse aussi dans la parenté à plaisanterie à travers des festivals, par exemple. Mahamadou Koro, vous êtes anthropologue. Quel est le poids de cette pratique dans la société nigérienne et quelles sont les ethnies du Niger dans le cousinage et ancrées dans leur mœurs Bien, avant de répondre à cette question, il va mhm. falloir d'abord euh, définir euh, le concept de la parenté à plaisanterie et en même temps traduire tous ces concepts-là en français. Parce que Tabastaka, c'est le terme consacré, c'est un concept. Et mhm. il y a un mot, un nom qui est tabashi. Alors, tabashi euh, selon certaines régions de ce pays-là, et tobashi mhm. selon d'autres régions russophones. Alors, quand on parle de tabashi, vous voyez au niveau de ce terme-là, taba, il y a deux baba. Mhm. Donc, tabashi tababashi. Et dans tababashi, il y a bashi, une sorte de crédit, donner crédit. Et tobashi, Là encore, il y a toujours donné, l'action de donner. Qu'il s'agisse du premier terme tababashi ou du second, il y a toujours un acte donné. Alors, qu'est-ce qui motive ce don-là Parce que les éléments de cette parenté à plaisanterie, nous pouvons euh, citer le balai. Et d'ailleurs, euh, quand le mois arrive, mhm. on dit que c'est le mois du balayage. En fait, c'est là ça que je traduis. Mhm. comme on le dit. Qu'est-ce que ça veut dire mhm. Parler de l'alliance. Lui, le fils de la femme, parce que la femme, sa mère, donc elle est dans une concession. Mais il ne sait pas que c'est la concession de son père. Alors il se met à mettre de l'ordre. Parce que les autres fils de l'homme s'en fichaient pas mal. Donc c'est comme ça que le fils de la femme mettait de l'ordre en balai. Mais comme il a appris par la suite que dans l'héritage, quand le père là va mourir, le père de sa, mère là va mourir, il n'aura rien. Et c'est en ce moment qu'il a dit, bon, puisque moi je ne gagne rien de toi, mais du ton vivant, tu vas me payer. Et c'est ça, quand il balaye, donc il est rémunéré. Mhm. Et cette manière de balayer et de rémunérer, ça a créé un lien entre le petit-fils et son grand-père. et souvent, ce lien-là est matérialisé par l'initiation. Mm-hmm. Il y a certaines choses que le père ou ne peut pas ici mm-hmm. son petit-fils. Mm-hmm. Donc, à travers cette parenté à plaisanterie que les gens voient, il y a encore d'autres choses. Ça, c'est la parenté interne. Maintenant, au niveau de la parenté externe, c'est celle qui lie deux sous-groupes ethniques, ou celle qui lie deux corps corporatistes. Quand nous prenons les canouries, par exemple, avec euh, les Peuls, il y en a qui disent hein, que leur lien est, légitimé par la possession des, vaches, des mhm. ébus, que les canouries eh, ont euh, confié une partie de leur bien aux pelles et les pelles ont fait de ça leur propre propriété. Mhm. Donc, si bien que quand ils se croisent, alors euh, c'est cela. Mhm. tu as pris ma chose, moi j'ai gardé, ainsi de suite. Donc, pour une autre euh, catégorie, mhm. chez les Kanouri toujours, avec les, trucs de grand-père et de petit-fils. Mhm. Donc, dans tous les deux cas-là, vous avez un système qui est là. Il y a un qui donne, il y a un qui reçoit. Si bien que tout le monde donne, mhm. tout le monde reçoit. Et par cette manière-là, vous voyez déjà les liens, c'est tissé. Et au niveau de notre pays, tous les sous-groupes ethniques sont liés. C'est une chaîne. Mhm. Et par cette manière de faire, il serait très difficile de voir cette chaîne-là cassée, mhm. par un autre événement mhm. autre que le surnaturel. Thierry-là n'autorise pas tout. Elle a des règles. Et la première règle, les parents géniteurs sont exclus de la parenté à plaisanterie. La deuxième règle, c'est de respecter la parenté à plaisanterie. La troisième règle, vous n'offensez pas votre parent à plaisanterie. Vous lui devez assistance, même si vous devez sacrifier votre vie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est une structure qui est là, qui est harmonieusement agencée, mhm. de telle sorte que dans les adages là, vous allez trouver des mots mal placés, mais quand on vous les prononce, vous êtes obligé de rire. Et ça fait rire aussi l'assistance. En fait, euh, <laughs> l'artiste qui est là, lui, il en connaît beaucoup de choses parce que souvent, c'est ce qu'ils font. Et par ce biais-là, ils sont en train d'immortaliser cette parenté à plaisanterie. Et avec votre accord, je leur présente tous nos encouragements mhm. parce qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de la flamme de la paix, la journée de la concorde, mhm. et avec le CSRD là, où on a célébré la parenté. On a consacré une semaine à célébrer la parenté de à plaisanterie. Aujourd'hui, on a l'impression que, bon, c'est fini. N'eût était cet événement important que vous venez d'évoquer, qui est la reconnaissance de l'UNESCO par rapport à mhm. le patrimoine. Ça aussi, c'est un élément fondamental. Donc, il y a des gens, des artistes, qui sont en train, sans rien, des journalistes qui sont en train de célébrer à leur manière mhm. cette parenté à plaisanterie. Et à l'occasion, nous leur adressons tous nos encouragements. Nous allons donc écouter Marie Oda, homme de culture. Quel est le poids de cette pratique dans la société et quelles sont les ethnies au Niger dont le cousinage est ancré dans leurs mœurs Ton parent à plaisanterie et toi, il y a quelque chose qu'on appelle la confiance. Mhm. Et l'abus de confiance est puni par la société et l'abus de confiance est puni par notre Créateur Dieu. Parce que la confiance, c'est amana, ça vient de iman, du fond du cœur. Mhm. Celui qui ne peut pas conserver la confiance, celui qui abuse de la confiance de quelqu'un, sa foi n'est pas bien fondée. Il doit se reprocher quelque chose. Mhm. Parce que à un parent à plaisanterie, on ne ment pas, on n'abuse pas de sa confiance, mhm. on ne l'escroque pas, on ne s'unit pas pour nuire à un parent à plaisanterie. Mhm. Et voyez, euh, euh, parce que vous m'avez demandé des ethnies qui font des parents euh, des, parentés à mhm. plaisanterie. À commencer par moi-même. Je suis cas nourri, mais pas un cas à nourrir. Je suis assez bien nourri. c'est les, c'est les Peuls. Les Peuls, les Maoris. Malheureusement, <laughs> même mon épouse est Peul. Waouh, magnifique. Kazelma qui vous parle. Kazelma. Oui. Kazelma. Taya. Kazel. Mhm. Aujourd'hui, un de ses meilleurs amis, c'est un Peul. La politique les a unis mhm. et c'est devenu que les confiances se sont créées mhm. entre eux. Et que chacun d'entre eux aujourd'hui participe à toute cérémonie de l'autre. Et voyez la différence. Vous savez quelle distance il y a entre Ningimi Diva et puis eh, Dakoro Maradi C'est beaucoup, hein Alors, cousinage à plaisanterie pour oui. cousinage à plaisanterie. Et voyez, c'est une très bonne chose. Et que quand je parle de ce que je connais, Kanouri et par exemple Peul et ou Kanouri et Baharé. Vous savez, je vous ai parlé dans mon introduction de lien de sang entre le Baharé et Canouri, il y a lien de sang. Parce que quand on vous dit petit-fils et grand-père, il y a lien de, sang. Mhm. De l'autre côté, quand on vous dit l'environnement, le Peul est un éleveur, le canouri est un cultivateur. L'éleveur élève, le canouri cultive et se retrouve à travers, rien que par le manger, mhm. prenons la boule. Une boule sans lait, c'est pas intéressant. Mm-hmm. Et un repas, peut-être, c'est quelque chose qu'un peuple pouvait bien s'en servir. il y a beaucoup d'histoires au-delà de ça. Mm-hmm. En prenant seulement mon parent à plaisanterie, qui est mon petit-fils Baharé. Baharé, selon moi, ça vient de deux facteurs importants. Mm-hmm. Le Baharé, c'est quelqu'un qui vit dans l'aréwa l'homme de Arewa, on peut lui dire bah allez. Mais on peut dire à travers parenté à plaisanterie, je peux dire que bah allez, c'est Baali. C'est pour Baali. Le mot Ali, Shetima, Kachala, mais quelque chose, ça ne peut être que d'origine Kanuri. Et c'est ça qui fait que même s'il y a erreur, bouche égale oreille de Maori, c'est sensiblement ma cicatrice raciale à moi ou bien à un autre qui fait 11 111 dans le visage. Aujourd'hui, dès que vous voyez quelqu'un qui a cette cicatrice ou bien 11 111 au visage, dès que tu vois, tu vois, tu as vu ton parent à plaisanterie, et quel que soit Alpha, la parenté à plaisanterie finit par le sourire. En parenté à plaisanterie, il n'y a pas de pleurs. Et que quel que soit ce que tu fais à un parent à plaisanterie, tu n'as pas perdu, tu as gagné. C'est ce que honorable chef Haruna Ambali de, de, de, a pensé pour décorer traditionnellement avec parents à plaisanterie Jingiri Lempo que vous avez en face, Vieux Yaji Dogo qui est de l'autre côté et Nour Walam oui, marie Et la parenté à plaisanterie se caractérise par des affrontements verbaux ou physiques sans se bagarrer. Comment expliquer ça pour euh, quelqu'un qui ne comprend pas cette pratique Pour celui qui ne comprend pas cette euh, euh, pratique, ça veut dire que c'est lui-là, il est acculturé. Il a fait de l'acculturation. Mm-hmm. Un parent à plaisanterie, ben, je vous dis tout de suite, il peut vous dire Niamey est assez difficile. Il peut vous dire, hé, euh, amène-moi à tel endroit. Mais tu ne discutes pas. Et c'est pourquoi on a dit que la parenté à plaisanterie finit toujours par la joie et que la joie rajeunit. La jeunesse, vous êtes frustré, vous êtes fâché, ainsi de suite, mais dès que vous riez, vous vous rajeunissez de quelques mois sur le champ et quand vous êtes toujours à la... Donc c'est pourquoi on dit que entre la parenté à plaisanterie et le développement national, c'est en tout cas Hassan et Husseini ou bien euh, Hassana et Husseina ou bien Adam et Awa, ainsi de suite. Donc on peut dire que nous sommes même des, des, des humains et qu'il faut cela. On doit trop développer. Les acteurs sont là, tout le monde est là. Il n'y a que les moyens qui font défaut. Mhm. Il suffit de mettre la parenté à plaisanterie dans la culture et dans la culture, renforcer le ministère chargé de la culture qui est chargé, qui est un des ministères chargés de la renaissance culturelle et mettre le moyen, c'est budgétiser ou budgéter selon certains, dans notre ressource naturelle qui est notre budget national. Monsieur Abdoulaye euh, Segda, vous êtes euh, artiste euh, humoriste. Est-ce que la population a compris donc la portée donc de vos musiques et quelle est donc son apport à la cohésion sociale euh, Surtout l'apport du message. Les gens ont vraiment bien compris. Vous savez, cela m'a amené à actuellement, vous savez très bien qu'on traverse une situation de conflit. Allons tout droit, ça ne va pas. Et quand on parle de guerre, tout est mal. Maman s'en sort pas, papa. Nos aînés sont là, vous voyez, on ne peut même pas s'adresser à eux en face. Donc, vous voyez, moi, ça m'a amené pour vous prouver que la population est d'accord, la population a et continue à comprendre ce que je suis en train d'apporter pour le pays comme du bien dans ce sens-là. Je me suis rendu tout récemment, ça fait quatre jours de cela, à Torodi, la zone où <laughs> tout le monde peut craindre les peurs, les peurs, sont ceci. Moi, je me suis rendu sans militaire, sans corps habillé, mhm. sans armes. Mais je suis allé avec mon arme personnelle, mon arme de cousinage à plaisanterie qui est ma tenue traditionnelle. Et j'ai réuni à moins d'une heure de temps, plus de 9000 personnes. J'ai la vidéo que je vais vous lancer ici. 9000 personnes, vous pouvez même croire que c'est un truc organisé durer un an, quoi. Mhm. Non. Alors que c'est improvisé. Juste improvisé. Je suis allé voir les cousins parce que moi, j'ai ma manière d'attaquer. J'ai dit, ouais, ouais, ouais, on doit s'entretuer parce que maintenant Niger est trop grand. Et quand les gens sont nombreux, la bouffe là ne peut pas nous suffire. Et du coup, ils se mettent à rire. Ils disent, mais tu es fou, toi, le gourmand. J'ai dit, ah, donc s'entretuer, c'est pas bon. Il dit, hein, c'est pas bon. J'ai dit, ah, mais pourquoi vous le faites <laughs> Et s'applaudit applaudit. Si vous voyez des photos, je ne sais pas d'où il vient avec ses photos, ses caméras. Non, pour quitter même là-bas, c'était tout un problème. Il a fallu que je passe toute la soirée mm-hmm. pour vraiment qu'ils sachent que je suis là. Vraiment, et je ne les ai pas quittés comme ça. Mm-hmm. Donc, et je me suis rendu eh encore euh, ici. bon, en tout cas, le message, vous voyez, toutes les zones où mm-hmm. on peut penser dangereux, eh moi, je passe seul. Je ne vais même pas avec chauffeur. Là, ça ne concerne personne que le cousin. Donc, vous voyez, le message passe je leur passe des messages de paix, je les taquine, ils ne se fâchent pas. Ça veut dire qu'ils ont compris. Et on a franchement, alhamdulillah, voyez, donc le message, alhamdulillah. Nous allons écouter euh, Kazalma. Taya, et euh, comment donc euh, la parenté à présenterie peut être un facteur de consolidation de l'unité nationale Oui, donc pour répondre à votre question, je tiens tout d'abord à évoquer pourquoi je me suis lancé dans la culture. Mhm. C'est parce que, après avoir euh, fait des études poussées, il y a beaucoup qui ont mon niveau intellectuel qui préfèrent faire de la politique. Mhm. Mais moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, au Niger, très malheureusement, on a mal compris la politique. Ça divise tout le monde. Mhm. Vous avez des membres de la famille qui ne se parlent pas à cause de la politique. Alors que la culture, c'est un ciment. Et donc, ce ciment-là, il faut l'entretenir. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, grâce à la politique, le Niger se porte bien. Bon, mis à part euh, le fait qu'il y a des tensions et tout. Et on fait des choses magnifiques avec la culture. Par exemple, tout récemment, on a organisé le, le c'est du côté d'Agadez. Mhm. Donc, à travers euh, cette fête, d'Apple, Bororo, on arrive à mettre en valeur le fait qu'il y a des Nigériens qui sont de l'autre côté, qui sont pauvres mais qui sont heureux. Pourquoi Parce qu'à travers cette fête-là, c'est quand même une culture qu'on est en train de célébrer. Mhm. Grâce à la parenté à plaisanterie, étant qu'on nourrit, je peux m'habiller en Peul Bororo. Mhm. Dans certains pays, on ne peut pas se le mhm. permettre. On va dire, mais pourquoi elle met notre tenue Pourquoi elle, fait notre maquillage Moi, je l'ai fait et tout le monde a apprécié. Fallait voir, il y a plus de 1000 réactions par rapport à ça. Et tout récemment, quand j'étais au Guéroual aussi, je me suis habillé comme ça. Pourquoi Parce que et la culture, là, il faut l'entretenir. Et parmi ces vecteurs de la culture, on a un patrimoine immatériel, culturel c'est la parenté à plaisanterie. C'est important. Comme euh, le, papa vient de le dire, Maître Marima Landauda, il faut budgétiser ça. Mhm. Comment budgétiser ça C'est à travers des acteurs, comme ça, des artistes et mhm. tout. Et c'est bien de faire des caravanes d'artistes pour la paix. Oui, c'est aussi magnifique de faire des caravanes d'artistes pour la parenté à plaisanterie. Une semaine, c'est minime. Je pense qu'on peut célébrer ça, faire un festival d'un mois. Pourquoi pas Parce qu'on a tellement d'ethnies au Niger et on a tellement de choses à découvrir et à travers des rangadis que nos parents faisaient à l'époque. Des promenades, on prend des peules de ce côté, on les amène de l'autre côté. Et donc c'est ça. Et ça permet d'entretenir nos liens. Dans certains pays, étant d'une ethnie bien déterminée, vous ne pouvez pas marier une femme qui est de l'autre ethnie. Et donc, c'est un ciment qu'il faut entretenir. Mohamedou Akoro, est-ce que euh, cette pratique euh, peut survivre face à l'évolution de la société nigérienne Bon, de toutes les façons, c'est un, élément culturel et c'est quand vous parlez de culture, ça va être un peu difficile de disparaître comme cela. Il y a toujours des éléments de résistance. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est cette non prise en compte de cette institution nigérienne hein, par les autorités politiques administratives. Mhm. Parce que si on se réfère à la Constitution, la loi fondamentale, la loi fondamentale a consacré un chapitre où on parle de l'être humain et de sa culture. Et un être humain sans culture, euh, je ne sais pas comment l'appeler. Donc euh, la parenté à plaisanterie, c'est un élément culturel fondamental. Mhm. Dès lors que la loi fondamentale s'est apaisantie sur cet aspect-là, il va de soi que les autorités politiques administratives prennent toutes les initiatives pour justement faire valoir cette institution. Déjà, on peut les remercier le fait que cela a été récupéré par l'UNESCO. Mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire repenser la manière de célébrer, de vulgariser, d'envisager des recherches. Mhm. Parce que tout ce que nous venons de dire là, jusqu'ici, on ne connaît pas foncièrement le mobile qui fait que tel sous-groupe ethnique lié à tel autre. Il y a un mobile. Des recherches. Parce que il faut aussi que les gens savent mhm. l'origine de cette parenté à plaisante. Qu'est-ce qui me lie, moi qui suis du nord, avec celui qui est au sud, moi qui suis de l'est, avec celui qui est à l'ouest. Alors, le jour où les gens vont apprendre réellement, voilà et pensez-vous euh, qu'il faut donc inscrire ça donc à l'école, à l'université Il faut que les politiques, comme il est sur la bonne voie, que toutes les institutions qui s'y intéressent. Mhm. soient associées. Vous voyez bien, comme Maître Marie l'a dit, cela nécessite beaucoup d'efforts financiers. Et ce n'est pas un problème pour l'État s'il le désire. Tout à l'heure, euh, le responsable euh, de cette association culturelle l'a dit. Ce pas les idées qui manquent. Mhm. Mais maintenant, comment euh, faire évoluer, faire aboutir ces idées-là. Et déjà, vous, en tant que journaliste, vous faites votre boulot. Et les artistes, ils font les leurs. Nous aussi. Donc, il reste seulement le bon pilier pour mettre la main sur la patte, là, pour que, comme par le passé, quand on a eu à célébrer cela, et que cela se mette à marcher sur de bons rails. C'est notre souhait et ce n'est pas impossible. De toutes les façons, les journalistes sont là, les artistes sont là, les chercheurs aussi, l'État aussi est là. Et bientôt encore l'UNESCO est là. Donc vous voyez, et n'est euh, c'est pas l'opportunité qui manque. Nous avons l'opportunité, il y a l'occasion, il suffit seulement de s'organiser pour mhm. aller rencontrer, pourquoi pas l'État. Madame Douda, est-ce que cette pratique peut donc survivre face à l'évolution de la société nigérienne Vous savez, euh, je veux toujours parler de l'acculturation. Je ne conçois pas aujourd'hui un Nigérien, père, mère, en tout cas de la région, surtout de région musulmane, ceinture en bas de fesses, c'est pas nigérien. Un homme avec des boucles d'oreilles, ce n'est pas nigérien. Il y a beaucoup d'autres choses. Ou bien le pédantisme, ce n'est pas nigérien. Mais il faut faire croire à la société nigérienne en particulier et à la société africaine en général que la culture en général et la parenté à plaisanterie peuvent nourrir leurs acteurs, faire comprendre aux gens cela. De l'autre côté, quand il vous a parlé, il est obligé d'évoluer dans la culture. Mhm. Il est obligé. Il a la culture dans son sang. Euh, il est euh, né, dans, la dans la culture. Il a été dans la culture. Il a grandi dans la culture et il est en train de défendre la culture. Lui là, et peut-être les autres que je connais un peu à distance. Lui, ça fait des années que nous sommes ensemble, depuis autre que le Niger, dans un autre pays. Alors, je vous dis, qui est son papa Prenez l'histoire et vous allez. Parmi ses parents, nous avons un ministre de la jeunesse, des sports et de la culture, qui est aujourd'hui à feu Alejitaya, avec son nom dans un centre de promotion musicale. Qui est l'autre Taya qui est dans le sport, qui fait du ping-pong et autres Et pour finir, peut-être Falmata Taya. Un petit qui a à côté de lui quatre hiérarchies sanguines ne peut que faire ça, il a ça dans le sang. Pour parce que c'est la joie, je vous ai dit que le temps est trop réduit. Je vais vous raconter une petite histoire dans quelques, s'il te plaît, une minute seulement. Avant-hier, on parlait des pétards de fin d'année on a dit nous sommes en insécurité au Niger, méfiez-vous des pétards. Un Kanouri a pris la parole à la voix du Sahel à la radio pour dire attention, les pétards, c'est pas bon. Parce que nous, sommes nous étions en train de prier. Quand quelqu'un a lancé un pétard à côté, le marabout a détalé, il a fui. le l'imam a fui. Et quand il a fui, il dit que l'imam est un peuple a dit, lui, il a dit que l'imam était un maori. <laughs> Ah. Une maori a appelé, dire non, ce marabout qui a fui là, ce, n'est pas un maori, mais c'est un peul. Un peul a appelé pour dire non. Vous aussi, c'est un beriberi qui est en train de prier. Donc son imam est Kanouri. C'est le Kanouri qui a. Et jusqu'à présent, si ce n'est pas vous qui allez nous trouver cette réponse. Ah, ah, ah, Quand le marabout a fui, moi je pose la question à la nation nigérienne. Puisqu'on a dit en religion, il faut suivre l'imam, n'est-ce pas Quand l'imam a fui, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres fidèles Ils ont fui, ils se sont mis à rire ou bien ils ont continué leur prière, ou bien ils ont repris la prière. Voilà. Merci. Ça, c'est une belle note. Et euh, comment euh, sauvegarder aujourd'hui cette tradition ancestrale pour le bien-être de notre pays Comme mes deux papas l'ont dit, et le, frère qui est toujours là en train train d'œuvrer, et malheureusement, il faut le dire, il faut reconnaître, on est en voie d'acculturation. On est acculturé. Pourquoi on est acculturé Parce que le Nigérien, de nos jours, il devient individualiste. Il y a des personnes, si tu pars balayer chez eux, c'est un berger allemand qui va t'attaquer. C'est malheureux. C'est quoi le berger allemand Le berger allemand, c'est un chien, un gros chien. <laughs> tu ne pourras pas balayer. Alors que le fait de balayer, ça fait partie de notre cousinage à plaisanterie. Un peul qui vient balayer chez un canouri ou une Hausa qui. Donc, pour vous dire que malheureusement, il y a des gens qui ont mal compris ils sont restés en Occident, ils sont revenus. L'Occident leur a inculqué des valeurs d'individualisme. Il n'y a que eux et leurs parents et c'est fini. Personne n'a accès à leur maison et donc je pense que doit mettre fin à cela. Le Nigérien, l'Africain, c'est quelqu'un d'hospitalier. Il peut laisser même sa porte ouverte. Mm. À l'époque, au temps de nos parents, les murs ne dépassaient pas deux mètres. Pourquoi Parce que personne ne pouvait venir voler. Tu n'as pas besoin d'un chien. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est acculturé, on est individualiste, on ne veut pas voir son frère, on ne veut pas voir sa soeur ou sa cousine, Hausa, Zerma ou Gourmandier. Et moi, il a un slogan que j'aime bien et je vais l'encourager dans ce sens. Gourmandier, c'est nous les rois. Mhm. Gardons ça. Les gourmandiers sont les rois. Les canoris sont les grands-pères des Arawa. Les Peuls, ils sont là aujourd'hui, on peut s'amuser avec les peuls comme on veut. Pourquoi C'est parce qu'on a les parentés à plaisanterie. Mais comme le, professeur l'a dit, il y a des limites. Mhm. Il y a des personnes aujourd'hui, tu lui fais le cousinage, il, peut te fusiller. Et donc, il faut respecter ses limites quand même pour ceux qui n'ont pas compris. Et j'espère que c'est à travers les sensibilisations, à travers l'État, qu'on peut ramener ça. Mhm. Parce que la parenté à plaisanterie a fait beaucoup de bien au Niger. Depuis Djori, Kunti en passant par Tanja, jusqu'à au CCRD. Après le coup d'État, comment on a pu eh, réduire cette tension-là C'est à travers la semaine de la parenté à mhm. plaisanterie. Mais maintenant, l'État n'organise plus cette euh, semaine. Malheureusement, euh, malheureusement c'est fini. Je pense qu'on peut réveiller ça. Vous pouvez ajouter quelque chose oui, bon, euh, euh, comment sauvegarder la tradition bon, rapidement. Il y a, des choses euh, hmm. qui peuvent disparaître d'elles-mêmes. Il y a en revanche d'autres qui résistent. Mhm. Et c'est le cas de la parenté à plaisanterie. Vous voyez, nous qui pratiquons la parenté à plaisanterie, nous n'avons pas appris ça à l'école. Nous avons vécu avec. Depuis le village, là, nous voyons comment ça se passe. Arrivé en ville et ça a continué. Pour vous dire que même aujourd'hui, la pratique n'a pas cessé. Au village, un parent à plaisanterie, quand il trouve son parent, ah, ils vont plaisanter devant le public. Et souvent, ça amuse les gens. Il y a cependant des situations fâcheuses. Le jeune homme-là l'a évoqué, cette situation politique qui divise les gens. Malheureusement, c'est cette situation politique aussi qui porte un coup à la parenté, à plaisanterie. Parce qu'à l'époque, la politique, là, c'était justement de maintenir cette parenté à plaisanterie. Il n'y avait pas soutenu ceci, cela, il n'y pas. Mais oui, qu'est-ce qu'il faut donc pour éviter Alors, mhm. ils le savent de toutes les façons. La parenté à plaisanterie, elle est beaucoup plus forte que toutes ces, tous ces remue-ménages-là. Et je vous assure, chemin faisant, eh, cette parenté à plaisanterie finira par avoir le dessus sur le politique. Nous sommes au terme du forum qui a pour thème la parenté à plaisanterie, comment pérenniser cette pratique face à l'évolution. Vous avez suivi l'intervention de nos invités sur cette thématique des interventions axées sur l'importance de la parenté à plaisanterie de la société, ainsi que des contraintes liées à la parenté à plaisanterie face à l'évolution de la société. Les invités appellent l'État à avoir un œil regardant sur cette pratique et mettre aussi des moyens conséquents en vue de sauvegarder la parenté à plaisanterie, facteur de consolidation de l'unité nationale. Nous étions en compagnie de Marie Malandouda, homme de culture, Kazal Mataya, président Association Culture Niger, Mohamedou euh, Kouro, anthropologue, et Abdoulaye Segda, artiste humoriste. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la réalisation Mustapha Ayouba et la technique Issa Lawali.